Benel, bah, encore une fois, merci beaucoup. De rien. Donc, je m'appelle Delta Fox sur les réseaux sociaux, mais mon prénom, nom, en gros, j'ai deux prénoms et deux noms de famille. Ah. Mais voilà donc je m'appelle Fatou Diop. et donc juste pour revenir en fait sur pourquoi je m'appelle Delta Fox parce que beaucoup de gens me posent la question. Mm-hmm. simplement parce que je travaille dans l'aérien. Oh. donc dans l'aérien on a un alphabet. Oh. c'est-à-dire toi Banel c'est Banal Camara, non C'est ça oui. Donc tu serais appelé Bravo Charlie. Ah Malik. Malik. Malik Naka Mike Delta. Non. Donc en fait, euh, le D pour mon mhm. nom de famille, mhm. Delta Joe. Joe B. Et F, F, Fox. Ok. C'est tout. Euh, donc voilà, en mhm. gros, donc je m'appelle Delta Fox, Fatou Diop pour les personnes qui ne le savent pas. un mhm. nom ak prénom il y a un koy denc. Waaw, doy na sa lii déjà c'est sama turandoo yaay en plus. Exactement. donc euh, je travaille dans l'aérien, donc comme je l'ai déjà dit, mhm. et euh, voilà, je suis sur les réseaux sociaux. -hmm. Mis à part ça, voilà. C'est tout. C'est tout. Mais c'est un peu comme bonjour. Ni plus ni moins. Mais mais c'est très complexe parce que man mënuma imaginer pour man da nga tuddé sa bop voilà Delta Force yaa ko choisir en fait mais mais musuma gis li jàngal nga ma lu bees là ben c'est juste en rapport avec euh, ce que je fais. kon nga né bu man la lañ may tuddé nga né yow yaay bravo Charlie. <laughs> Mike Delta ngi di tok <laughs> Mike Delta ya ma dàqale man bravo Charlie. wa bravo Charlie neexul noonu ça <laughs> ok ok ma belle donc euh, hormis ci biir aérien bi ngay liggéeyee manam ci ko gattal ak laay bref di lay faral di gis ci réseaux sociaux yi surtout sur TikTok Instagram et aussi dans mon église micro en gros qu'est-ce que tu fais déjà alors euh, sur TikTok je vais commencer par TikTok mm-hmm parce que j'ai commencé à faire les vidéos en fait plus pendant la pandémie. En mmh, fait. Mmh, mmh, et euh, l'idée de base, c'était que je vais vous raconter une histoire, hein, comment ça s'est passé. Euh, donc, de fois, ben livreur, j'avais commandé quelque chose en fait, euh, Et donc, le livreur, il me livre, il s'appelle Abdou. Donc, il est venu au bureau, livrer ma affaire et tout. Donc, on discute, modem, il garde mon numéro de téléphone. Il me oui, si tu as besoin de faire d'autres livraisons, n'hésite pas. À, voilà, mon de temps en temps de mon doon après après mhm. pandémie comment c'est vraiment ça c'est vraiment installé mhm. du coup euh, il me dit ah mais est-ce que l'Océan n'a nga a écoute ok pas de problème laisse-moi le temps de réfléchir et je te dirai donc me réfléchir réfléchir je me dis bah, écoute comme dit ñëpp en fait donc mhm. j'achète des trucs qui ont ramené, je les utilise pas ou bien ailleurs ils ont fekk na ma lekk ba pas. et puis du maquillage tout ça et tout tu sais quoi <laughs> je vais faire euh, le bilan de tout ce que j'ai la ramener utiliser au Moko et puis euh, je vais l'offrir aux gens et puis pour jàppale Abdou mm. à chaque fois que je vais livrer quelque chose ben en fait on va lui payer 2000 francs okay. et peu importe la, la distance. en fait c'était 2000 francs donc j'avais appelé les Delta de Fox delta dont par derrière de mm. Fox Fatou mm-hmm. Donc, tous les samedis, bon, j'avais pas le temps de le faire la semaine, c'était plutôt les samedis. Mm-hmm. Donc, moi, j'avais fait une vidéo mm-hmm. disant que voilà, tous les samedis, demain, il Ben Live. Mais tu sais, quand tu commences, mm-hmm. c'est pas évident. Et puis, je ne savais pas comment est-ce que ça allait être accueilli par les gens Parce que les gens ils peuvent se dire, ouais, peut-être que la un truc comme ça. Donc tous les samedis, euh, au début, c'était pas facile, hein, parce que je me disais, mais je ne les vois pas. Ils, ne enfin ils me voient, mais je les vois pas. ça. Donc je commence. Euh, voilà, la live, ça a duré 10 minutes au début. C'était très timide. Et du coup, euh, donc aéré, maquillage, parfum, tout, ce qui tombait sur la main en fait. Mm-hmm. Moi, je le Abdou venait chez moi et puis on faisait des lives ensemble, mm-hmm. on discutait et puis après lui, il partait livrer la semaine, mm-hmm. New York 2000 francs. Ça l'a beaucoup aidé en fait durant cette période-là. Et après, euh, il y a 6.9 aussi qui a eu à offrir des tenues, il y a Bamba Couture qui a eu à offrir des tenues, des fois aussi Khalego Madame Faté et puis voilà j'ai eu il y a beaucoup de de, de en fait non mm-hmm, mm-hmm. et il y a aussi une fille avec qui je faisais elle elle était plutôt axée maquillage mm-hmm. et du coup euh, elle venait chez moi euh, on faisait le live ensemble et c'était hyper intéressant et c'est comme ça que j'ai réussi en fait à je vais dire euh, rassembler beaucoup de gens autour de cette cause là et voilà après je pense que ce sont les gens de TikTok qui ont un peu dévié, enfin, qui, qui, qui comment, c'est même pas dévié parce que c'est négatif, mhm. qui, qui, euh, qui axe mhm. les vidéos, en fait, si bien a fait Nous le couper des fois. Voilà, après, ils me disent, oui, euh, la manière dont tu te maquilles, on aime bien. Bon, ok, allons-y. J'ai commencé à faire des tutos make-up. Mhm. Après, c'était, euh, bas ce que tu portes, écoute, ok, mais quand je me defar yére dama compliqué nag si hyper compliqué c'est-à-dire que may ñawal taille bi chaque jour ñu xuloo mais le lendemain ma delluwaat pour ko da ngay comprendre dem ne ko fii lu tax mu mel nii mhm. côté bii lu ñuy mhm. donc en fait hyper compliqué après donc j'ai commencé à parler des tenues après j'ai commencé les gens ils me disaient ouais mais tu travailles dans quoi mhm. j'en parle pas beaucoup et après je reçois énormément de messages de gens qui me parle de la confiance en soi parce qu'il faut dire quelque chose je sais pas au Sénégal en tout cas je sais pas j'ai appréhension négative am ah oui oui ah, si si si si ah là j'étais pas au courant ah, du tout c'est pas évident d'avoir une brèche ah c'est pas évident mais je peux pas te dire le nombre de messages que je reçois mais mais même moi personnellement mm-hmm. j'ai jamais achevé ma brèche mais comment ça se fait c'est magnifique je ne l'ai jamais assumé. Avant, je faisais des photos, je rigolais pas. Oh, j'étais tout le temps comme ça. Je voulais pas. mais attends attends attends man temps booy dañ comme ça, yàlla nit wërsëg nga ah, allah comme ça, yàlla am faire bi sacré yàlla yooyu il koy wax temps en fait moi en tout cas je l'ai subi et puis quand je suis partie en France aussi pour mes études supérieures alors en France aussi pareil. what. Euh, c'était non mais c'était difficile moi franchement pendant mais très très très longtemps, je l'ai pas assumé. Et c'est en faisant les vidéos TikTok en fait mm-hmm, que mm-hmm. j'ai appris en fait à appréhender. Et puis les mm-hmm. commentaires de qu'un, ouais, il la. tu vas tout le temps voir ça. Si, si, si, si, Ah oui, non, mais jusque-là. Et puis je veux dire, il y a des filles qui me disent, mais man, je ne peux pas parce qu'à chaque fois, ça Personnellement, je l'assume, parce que de toute façon, Mouno Matidara. Mais c'est magnifique. Et puis, je arrête tout le temps. <laughs> Alors, je, le dis solennellement. Aujourd'hui, mhm. Lidou Dial, Mylène Merci. Je voulais faire passer ce message aujourd'hui. Et puis, toutes les filles. <laughs> Franchement, c'est un message que je voulais faire passer parce que beaucoup de filles m'envoient des messages pour me dire Ah, je l'assume pas. Boulen len fale. De toute façon, yalla moko def ci yow mënuloo ci dara. Mais yana yo xam dañuy dem pour écarter sen bëni. Waouh. Ah oui, il y en a qui le font j'ai vu des vidéos. Bien sûr. Et puis je veux dire euh, c'est comme ça, Mais mais, c'est triste une def comme mode. C'est triste. Mode j'avoue. J'avoue. Mais avant mais t'avais du. Mais moi, personnellement, je le dis, mhm. je ne rigolais pas. Je, prenais des photos, je à chaque fois, je tirais la tête parce que je voulais pas que ça soit. Et après, par la suite, je me suis dit, Et j'ai commencé à l'assumer et ça a aidé beaucoup de personnes. Mhm, mhm, et donc, après, mis à part ça, bah, sur les réseaux sociaux, euh, on fait des, je fais des, enfin, des lives tous les samedis.

qui est <laughs> Donc voilà, et après aussi sur, euh, voilà, sur mes lives, j'ai déjà parlé à Viviane nous un jour qui a comme, parce que je, l'aime bien quand même. Mm-hmm, mm-hmm. J'aime bien ses sons. Bah oui, tout le monde l'aime, euh, comme Robin. Beaucoup. <laughs> Tata Vivi, voilà, Machala, au Merci beaucoup pour <laughs> tout ce que tu lui fais comme plaisir. Mm-hmm. Et euh, après aussi, j'ai eu à avoir Abba aussi, en live ben samedi. Clayton Hamilton aussi. Euh, et voilà, sinon je, je, je, partage en fait énormément des choses avec euh, bah, les gens qui me suivent. Euh, on parle de tout. Mhm, euh, mhm, mhm. on parle aussi de mon célibat, mais c'est pas grave. Ah. vous inquiétez pas. pose, pose, pose, pose, célibataire. proposition célibataire 3.0.

waaw macha allah kaala. waaw waaw waaw daanaka. Hmm. kër yàlla gi j'en passe. waaw tey eh, goor yu bari ñu melni ni wër. donc ma nga classe que tu sens bon set nga mën nga make up te xam naa nga xooloo nga xëy wax sé vidéo da koy wane. sérieux waaw oui. da nga koy jéem a moom may ma jàmm waaye ma xamante ne on se sait entre jóge on se reconnaît. wa yo madame ya ya bañ. non ya bañ. du tout compliqué oh. je ne pense pas. tu l'as dit da compliqué non Touti. ah non mais je te dis en plus instant bii il c'est léegi ça doit pas être évident en catégorie j'avoue mais peut-être des fois les gens se disent euh, en fait parce que xamuñu mm-hmm. les gens en fait c'est ce que je dis à chaque fois. Mm-hmm. on se met sur les réseaux sociaux on ne mm-hmm. peut pas nous juger sur 15 secondes. tu peux pas te dire écoute à ah, qui ni mu dafa mel ni ku xam nga. Mhm. bëgg des fois dañ lay teg foo xam ne yegguloo fa en mhm, fait. Mhm, et puis euh, je veux dire euh, on a des plaisirs simples ah. moi j'aime bien dem jëndi mad dem bëgg madd. dem bien dem lekk pinton ça me fait plaisir. merci. donc en fait. <laughs> Bon, on n'est pas obligé de nous amener dans des restaurants pour nous faire plaisir. C'est ce qu'on appelle les petits plaisirs de la vie de tous les jours. marque d'affection. Voilà. Donc, euh, mais le célibat, je le vis très bien.

kon après ñu jëlante hors antenne. <laughs> dina ma neex donc gars yi di leen rappeler que ne tey Delta Fox suis suñu invité du jour ah ñu ngi koy ràññee ci TikTok gi. vidéo yi muy def sur TikTok ah. donc ma belle. oui su ma la déggee bu baax baax donc c'est plus côté live et aussi euh, côté make-up li ma lay gis ngay def make-up mais make-up bi passion la wala da nga ko jàng loolu laa bëgg xam. alors je l'ai appris nulle part pause pause pause kaay man doo ma jommal ci émission gi de daanaka man maay jommalaat ci émission gi. tey nag yaay jomm ah non. Mhm. maa ngi gis loolu mil gi. ale boo retour. da ngay gis retour tey. man daal daf may neex de man sa dollar yi moo ma neex <laughs> ni may tendance nii. gis nga loolu. <laughs> kon jàngu ko fenn. alors je l'ai jamais appris et ce qui est contradictoire c'est qu'avant quand j'étais jeune j'aimais pas le maquillage. pause quand j'étais plus jeune c'est-à-dire j'ai commencé à me maquiller mais très tard je me rappelle, en fait, ma mère, elle me disait, mais tu mets pas un peu de crayon sur les yeux, En fait, j'aimais pas. C'est très, je ne sais pas comment ça s'est fait, qu'est-ce qui a fait que, mm-hmm. mais jusqu'en terminale, je me maquillais pas. Non. Non. C'est vrai? Ah, bah, <laughs> en fait moi c'est pareil oui euh, avant je me maquillais pas du tout et euh, donc, je vais revenir un peu sur euh, comment est-ce que ça s'est passé. Mhm. Donc, j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 17 ans. j'ai eu mon bac ici, au lycée okay. Lamine Et d'ailleurs, je salue euh, Nina au lycée Lamine Gay et j'étais la vice-présidente du club d'anglais. OK. Euh, et du coup, bah, quand j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 17 ans, je suis partie en France pour mes études supérieures. OK j'ai. Euh, alors, au début non plus, je me maquillais pas, jusqu'à ce que je commence à travailler à l'aéroport. Mmh, mmh, mmh, en fait, c'était ça. en fait, j'avais pas le choix. C'est ça. Et du coup, euh, bah, depuis lors, euh, je regardais des tutos oh. sur le net. Pour essayer. voilà. Et après, alors, je pense que de toute ma vie, on a dû me maquiller deux fois. Non. Je ne peux pas. Non, non, non. Pour me maquiller, c'est très compliqué. Encore compliqué. Bah oui. <laughs> en fait, euh, ah, j'ai du mal. Perfectionniste Je confirme. Voilà. Du coup, euh, la première fois où on a essayé de me maquiller, essayer parce que du coup, ils l'ont même pas terminé. Mhm. Déjà, je suis arrivée avec tout mon matériel. <laughs> Et donc, la fille, elle commence à me tracer les sourcils. non, non, non, non. Barna, mhm, arrête. Mhm, ben, le sourcil, là, def, barna. Non. Du coup, bah, j'étais là-bas, mais je me suis maquillée toute seule. Ah, je sais pas, j'ai. Et ça t'est pas venu à l'esprit de faire des, vidéos sur YouTube, de. de, de... Ou bizarre, mais le truc, parce que moi, quand même, je des fois, je suis technique. Ouais. Ah, yeah. recommencer. Transparence, là, les <laughs> Des fois, les techniques, il est expliqué, tout ça, tout ça, ouais. et je, me, je confirme même que tu es juste. Non, je ne l'ai jamais appris nulle part. Même perruque été koy parfois non. Pareil. Euh, bah, euh, bah en fait je me coiffe tout le temps chez D'ailleurs cette perruque là que j'ai, mhm. je l'ai depuis 2019. Celle-ci. Et euh, du coup, euh, en fait, ça, ça demande juste en fait de l'entretien. Mhm. Et je préfère acheter mes produits, essayer par moi-même. C'est vrai qu'au début, bah, mhm. ça marche pas. Hein. Je me trompe comme tout le monde. Sauf que de moi, je suis très endurante et très perfectionniste. Du coup, tant que barre de moi, arrêtez. Oh. Et ça, je le fais dans tout. ok Que ça soit dans le travail, mm-hmm. dans, tout ce que je fais. Hein. Mm-hmm. J'aime bien que ça soit bien fait. Mm-hmm, Des fois, on n'y arrive pas. Mais ça n'empêche pas que le lendemain, on revient, Et mon casque ça se voit, ça se voit, c'était comme machallah. <laughs> tout le monde, parce que oui, oui, oui, oui, oui. J'aime, j'aime ça. J'aime une personne, tout le temps, tout le temps, partager.

tout tout tout bayo dara da ngay taxaw def sa forme macha allah taxaw fi dañu am peut-être problème nan way nit bu am yenn taille yi da ngay wara sol lu ample mhm. da ngay sol lu rafet épouser sa corps carrément mhm. taxaw nak waaw kay ree nak mané hé hee bii ngi <laughs> mais macha allah mais en plus c'est beau bref duñ ci ñëwaat ci débat yooyu sax ay wàlla moo tax bref <laughs> maa ngi dérapé <laughs> mais qu'est-ce que ça te fait le fait que ñu lay envoyer message naan lan lan nga la nga réagir pour dama confiance confiance qu'est-ce que ça te fait. alors tous les jours au mm-hmm. quotidien. Mm-hmm. Euh, que ça soit sur Snap. Mm-hmm. sur Instagram. sur TikTok. sur Facebook. c'est-à-dire tous les messages que je reçois je sais pas à chaque fois que je reçois un message même si c'est la même chose lu en fait. Oh. je me dis au moins si c'est pour impacter quelqu'un je l'aurais impacté positivement dans sa journée aujourd'hui et euh, des fois, c'est par expérience parce mhm. que, comme tout le monde, euh, moi, quand j'étais jeune, ben, écoute, j'assumais pas ma grande poitrine. C'est ça. Demandons d'or mhm, mhm, Pour le sol ample. Exactement. Donc, ce qui fait que, avec le temps, j'ai compris que, encore une fois, munu ma ci C'est ça. Donc, je l'assume mm. comme je peux. Mm. Je n'incite pas les gens à manger comme moi, ou ah, ah, ah. où je me réveille, j'ai envie d'un sandwich, je le mange mm-hmm. à 9h du matin. ou le matin, je me réveille, j'ai envie de l'ekma, de l'ekma. <laughs> ou j'ai envie de manger du chocolat, j'en mange, mm-hmm. parce que je ne... Alors, je ne mange pas de légumes d'ailleurs. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que j'ai une bonne hygiène alimentaire, vous vous trompez. <laughs> Alors, je mange ce que je veux, quand je veux. Voilà, j'ai pas de. Ah oui, oui, oui. Et franchement, ça se voit pas. Ah non, mais je te le confirme. Euh, et avant, je faisais du sport. Ah Alors, avant la pandémie, mhm, mhm, mhm. très régulière. J'y allais du lundi au dimanche, sauf le vendredi. Pandémie bignot, les salles sont fermées. Oui. Je peux plus y aller. Ouais. J'ai repris il y a deux semaines. Moi, <laughs> Mais j'ai du mal. Parce que là. Je pense que ça va être hyper compliqué. En plus, je fais des cours de Zumba, c'est très intéressant, hyper bien. Mais mhm. alors, limite, au bout de 15 minutes, je dis au coach, ah. <laughs> <laughs> de <laughs> donc euh, la confiance en soi en fait je mhm. pense qu'il faut ne pas écouter les gens mhm parce que c'est ce que je leur dis souvent dans les lives Taïdi, jii da nga Delta Force il faut m'énerver. non Taïdi, il faut que ma énervé. Mm-hmm. non daf ma soof. Ah, soof na ma maquillage. et puis je veux dire mais et puis je dis hein, je reçois pas que des commentaires positifs hein. ne ne pensez pas. Hein. Mm-hmm. il y en a qui me disent écoute tu te caches derrière des artifices pourquoi tu te maquilles mais quand je vais au sport je me maquille pas le dimanche moi. non si vous voulez me voir sans maquillage venez me retrouver dans ma salle de sport. C'est-à-dire, sur mon watch, la première des choses que je fais, je me démaquille. Bah oui. Voilà. Je dors pas avec non plus parce qu'il y en a qui me disent Ah, mais t'as dormi avec euh, <laughs> non. Non, Comme les bah, Voilà, donc ils me disent, euh, ouais, mais euh, le matin, quand tu te réveilles, tu prends combien de temps Alors, chrono, je me maquille. Aujourd'hui, exactement, ça m'a pris 25 minutes pour me bah maquiller. Bah oui. en fait, parce que c'est du simple. <laughs> tout en sachant que je ne mets pas de liner tous les jours. C'est ça je mets du mascara et puis je suis partie. Make-up, no make-up. Voilà. Et après aussi, il faut que je revienne sur une de mes vidéos que j'avais faite mhm. au mois de janvier, mhm. où j'étais totalement démaquillée. Mhm. Tout en sachant que j'avais fait à peu près 15 heures de vol. J'ai quitté Dakar, j'ai fait une escale, j'ai continué. Wow. Le lendemain, je me réveille, direct, je me dis, tu sais quoi, on est en janvier, tiens, faut que je faut que je me montre, moi, quand je me réveille, comment je suis. Je mhm. suis tous les jours, hein, je mhm. sais que je suis pas belle. Mhm. Mais c'est pas grave. <laughs> Oh Donc, je fais ma vidéo et tout. Alors, eh, on dirait, Pascal, le grand frère, mais il est qui de Et je leur dis, mais ça m'a mais je n'ai, moi, je n'ai jamais dit que j'étais belle, en fait. Déjà. Et je n'ai pas fait la vidéo pour vous dire que j'avais dit que j'étais belle, que je confirme. Non. Oh du coup, et ma soeur m'appelle qui me dit, oui, il y a non, non, non, non, non. Bon, écoute, tu sais, la réponse, ils l'auront pendant un mois. Mhm, mhm. Et pendant toutes mes vidéos qui ont suivi, mhm. je leur ai fait des vidéos au naturel. Bah, tu vois, Et finalement, il y a une fille qui avait, qui avait suivi le truc depuis le début. Elle me dit Ta meilleure des réponses a été toutes les vidéos que tu nous as données depuis qu'on t'a dit que tu étais moche quand tu t'es pas maquillée. Ah. C'est simple. Grandeur, mais un faux Et j'ai jamais dit, mais nulle part, je me trouvais belle. Mais, que, tu l'es Même Mais moi, je me sens bien dans ma peau, tout simplement. J'ai des imperfections comme tout le monde. <laughs>